Euh, beaucoup de caractère. Euh, venir s'imposer comme ça pendant ce deuxième quart-temps alors qu'ils ont sont restés derrière tout le temps Sedina. Euh, ça prouve un peu le cœur euh, d'une équipe euh, championne. Oui, ça prouve surtout l'intelligence parce qu'il a à la limite remplacé son 5 titulaire par des joueurs du banc beaucoup plus physiques, beaucoup plus agressifs et surtout qui sont disciplinés tactiquement et qui mettent énormément de pression sur l'équipe adverse. Et on a vu euh, que cette pression a d'abord créé de la nervosité chez cette équipe du Monastir euh, jusqu'à ce que la, les fautes s'inversent parce qu'au départ on craignait un peu que cette équipe, et à juste titre d'ailleurs, on craignait un peu que cette équipe, euh, euh disons, avec sur les fautes parce qu'on a vu euh, notamment des joueurs Anas, être sortis très tôt à cause euh, des fautes. Ils ont été gênés très tôt par les fautes. Mais au fur et à mesure, la tendance s'est inversée parce que cette équipe euh, du Zamalek a justement pu créer beaucoup de pression avec les qui ont mis de la pression et de l'agressivité. Les joueurs du Monastir ont commencé à faire des fautes, notamment Ben Romdan, je le disais tantôt, qui a pris. une technique à cause de la contestation et de sa nervosité et qui a même été mis euh, sur le banc euh, pendant quelques temps par son entraîneur pour doucement le calmer. Et au fur et à mesure que le match avançait, ces joueurs du Zamalek ont laissé euh, cette provocation de côté pour se concentrer carrément sur le jeu et revenir. Ils ont su faire déjouer les jeux en sur leur mère et ensuite ils ont laissé ce terrain-là pour s'appuyer sur le basket. Tout à fait, Sedina. En tout cas, <laughs> tu as bien euh, résumé un peu ce qui est en train de se passer. Nous avons, euh, je crois, une équipe de Monastir qui n'est pas habituée à être titillée par son adversaire. Et donc, euh, c'est un peu comme un crime de laisse majesté que de les mettre en difficulté et qui se permettent de s'arroger le droit de parler aux arbitres. C'est comme si ils étaient l'équipe à ne pas toucher et qu'ils étaient parfaits. Mais dans ce match-là, Zamalek joue bien son jeu. Euh, se concentre. On voit un, grand solo Diabaté euh, dans ce match. On le voit non seulement dans les passes, mais on le voit aussi dans les shoots, dans les pénétrations. Ce dribble où il a passé, euh, il a battu son adversaire, puis passé la balle entre les jambes du deuxième Égyptien pour une passe pour un, un, smash, a été extraordinaire. Et on peut voir que même s'ils ne sont pas à droit à trois points, c'est cette équipe de Zamalek a pu euh, euh, faire du 69% à 2 points 18 sur 26 contre 16 euh, sur 19 pour le, pour le monastir et c'est ce qui fait vraiment la différence et des deux petits points qu'ils ont devant leur adversaire. Donc on voit un grand Elonou, on voit un grand Fakwade qui contribue énormément à cette équipe et ce jeune de la NBA Academy qui est sensationnel euh, qui joue sans peur et qui va à l'anneau avec beaucoup de puissance. En tout cas, euh, euh, du côté de Zamalek, il y a un peu plus de contrôle dans leur jeu, ce qui leur permet d'être légèrement en avance. Mais on va voir ce troisième carton. Est-ce que cette équipe de Monastir va retrouver ses esprits parce que à part Akaric qui, qui, qui, qui, joue un match plein, euh, les autres ne sont pas au meilleur de leur forme. Euh, on avait vu El Mabrouk au début, mais finalement, il a baissé de régime, euh, ce dénard. Les joueurs ne sont pas au meilleur de leur forme et surtout, ils sont gênés défensivement parce que cette défense l'entraîneur du Zamalek a mis en place au-delà de la discipline tactique qui montre et de l'agressivité. Parce que cette discipline tactique vient sur des parce que même quand ils font des trucs à deux, ils compensent sur le joueurs libre pour ne pas être en retard si cette équipe du Monastir euh, joue, sur la circulation de balles. Et Eugène, euh, l'une des forces de cette équipe de Monastir, euh, c'était dans ces matchs précédents de créer un décalage et qui, fait que l'adversaire a un retard sur le porteur du de la balle, pardon, quand ils font cette circulation-là, Aujourd'hui, on a vu que cette équipe du Zamalek a trouvé un retard a euh, pu trouver une solution à cette équation tactique parce que même quand ils font des à deux, ils ne sont pas en retard ou bien ils le font rarement sur euh, le joueur libre à qui on peut transmettre la balle pour un tir ouvert ou un panier facile. Et cela gêne énormément cette équipe, euh, cette équipe de, de l'US parce que c'est l'une de ses forces que cette équipe du Jamalek a justement pour le moment neutralisé. Tout à fait, c'est justement ça s'explique Lorsqu'ils font ces prises à deux, ils font ce qu'ils appellent une rotation défensive. Et, généralement, les prises à deux, euh, si tu as pu le constater, ces dîners, elles se font dans les coins, jamais au centre. La prise à deux, il a fait dans le coin, comme ça, ça permet les joueurs qui sont à l'opposé de la prise à deux de serrer le centre et donc, de facto, il est difficile de faire cette passe transversale euh, qui doit aller dans les airs et qui peuvent être interceptées à tout moment. Euh, en tout cas, leur système défensif marche très très bien et ça gêne vraiment cette équipe de Monassir qui n'est pas habituée, comme je l'avais dit tantôt, euh, de rencontrer ce genre de difficultés. Et donc, euh, ça leur a pas permis pendant ce tournoi de réfléchir à d'autres options, puisque leur jeu coulait. Euh, donc, ils pensaient arriver à un match où il, en, serait de même ici. si ce n'était pas leur joueur qui vient du banc, à euh, il serait probablement beaucoup plus, euh, il serait mené d'un plus grand écart en ce moment. En tout cas, nous aurons, je suis convaincu, euh, un troisième carton euh, explosif parce que chaque équipe va essayer euh, de prendre le dessus sur son adversaire. Et, là, c'est à ce moment-là qu'on verra que les points vont jouer comme ça. Les fautes vont jouer un rôle important. Lorsqu'on regarde les statistiques, par exemple, le banc, le banc de, de cette équipe de Zamalek est à 19 et le banc de euh, cette équipe de, de, de, de, est à, 20 points. Donc de ce côté-là, les deux bancs euh, produisent, mais la différence c'est au niveau des titulaires. On a vu un Slimane qui avait pris un coup et donc qui n'est pas encore revenu dans le match sur le plan physique. Mais la différence va se jouer au niveau des fautes. Et on voit pour le moment l'équipe de Monastir euh, se porte pas trop mal. Il y a personne à trois fautes. Les gens sont à deux fautes. Par contre, du côté de Zamalek, euh, euh, nous avons euh, deux joueurs, à, du moins un joueur à, trois fautes dans la personne de Mohamed et puis aussi l'ONU. Et c'est quand même deux joueurs importants. Mohamed était celui qui avait été mis et chargé de défense El Mabrouk. Et, malheureusement, il s'est retrouvé rapidement sur le banc. Et ça peut être aussi une bonne chose pour les euh, le Zamalek parce que ça a permis aux, remplaçant remplaçants de venir faire du bon jeu. Et probablement, euh, psychologiquement, lui va se préparer. Lorsqu'il pourra revenir, il pourra contribuer. Oui, l'autre aspect sur lequel euh, je pense que c'était dans le traitement, c'est les points dans la peinture. Ils ont pratiquement exprimé le goût dans la peinture que peut-être. Mon Monastir, et on le disait tantôt, Motok était un joueur clé il faisait la différence offensivement sur plusieurs actions, en marquant ou en étant le premier ancrage. Et même euh, à part les blocs aujourd'hui, ils répondent présents sur les blocs comme d'habitude, mais même sur les récupérations de balles, aujourd'hui on ne le voit pas assez. C'est-à-dire que même mentalement, je pense, le fait que cette équipe, disons, les domine dans la peinture, euh, mentalement, ça, ça affecte un peu euh, je parce que lui, dans tous les matchs qu'on a regardé du côté du Zamalek, il était dominant dans la peinture. aujourd'hui, c'est dans son secteur que cette équipe euh, euh du fait très mal au Monastir, Donc, euh, je pense que c'est une équation à résoudre pour cet entraîneur du Mansour parce que quand même, le euh, les Amalek a inscrit 36 points dans la culture alors que de l'autre côté, ils n'ont mis que 16 points. 16 points, donc les Jamalek a inscrit plus de la moitié et, euh, pour le moment, eh la différence se fait là-bas. Il y a énormément d'impact que les Jamalek est parvenu à mettre avec euh, notamment ses remplaçants qui font un travail énorme dans cette requête-là et jusqu'à présent, il n'y a pas de répondant ou en tout cas, le répondant n'est pas au niveau, au niveau de l'US Monastir et qui ne règle pas le problème de ces points tout, tout, à fait. tout à fait. Ils prennent dans la peinture, ils vont, vont pas redresser la barre parce que pour le moment, tout à fait. En tout cas, euh, c'est une très bonne lecture, Célina. Nous avons en ligne euh, euh, Jean-Claude Mouniadida. Jean-Claude, bonsoir. Comment allez-vous oui, je vais très bien. Et vous Oui, nous, on se porte très bien. Je pense qu'il doit quand même avoir une petite tristesse par rapport à la prestation de, des Patriots Basketball Club depuis hier qui n'ont vraiment pas présenté un bon visage euh, euh, du basket euh, du Rwanda les deux derniers jours en demi-finale et dans ce match de troisième et quatrième place où on a l'impression qu'ils ont démissionné carrément une certaine amélioration vis-à-vis de ce match de classement, là où il y a eu une différence euh, de 30 points à peu près, mais quand même euh, une équipe de patriotes qui a essayé de tenir le coup, mais à la fin, à la fin, ils ont succombé face à ce géant de Luanda, la, la, de Luanda. Là, score final, c'était 97 euh, contre 68. Là, l'écart qui n'est pas très profond comparativement à ce qui s'est passé hier euh, lorsque le monastère a écrasé euh, Patriote sur... On peut dire que c'était un score fleuve, n'est-ce pas Là, donc le, on peut dire que les Patriotes peuvent se contenter de la quatrième position qui n'est pas moindre, on peut le dire ainsi. Oui, mais je, euh, c'est-à-dire, euh, euh, Jean-Claude, je pense que le Patcote avait la possibilité de, de faire mieux que ça. J'ai l'impression qu'ils ont abordé après le, match qu'ils ont perdu hier contre contre cette équipe de, de, de, Monastir. ils ont, ils se sont complètement déconcentrés et ils sont rentrés dans ce match sans euh, réelle envie de jouer. C'est l'impression que ça nous a donné en regardant le match euh, euh, aujourd'hui à la télé. Oui, on peut aussi parler de cette timidité, oui, perdre avec un écart profond de, 40 points, c'est quelque chose d'humiliant, on peut le dire ainsi. Alors là, comme vous le dites, l'équipe a entamé la, partie d'aujourd'hui avec une certaine timidité, on peut le dire ainsi, mais, mais quand même, il ne faut pas oublier que le, l'équipe, l'équipe de l'Atlético de Luanda qui, qui, euh, qui, a des titres euh, africains, donc euh, ils ont remporté deux fois la, la, Coupe d'Afrique de club champion. Là, c'est un géant des de, joueurs professionnels. Là, on peut le, tout ce qu'on peut dire à la fin, c'est que même s'ils ont perdu, ils ont perdu profondément. On peut dire que quand même la quatrième position euh, on peut on peut se contenter de cette quatrième position parce qu'il y, en a il y en a qui qui, ont voulu qui ont convoité cette, position mais qui n'ont pas pu euh, être à, la hauteur. On peut parler par exemple de la euh, Salle, une grande formation marocaine euh, qui, a fait de son mieux mais à la fin ils ont été éliminés au niveau des quarts de finale. Là on peut dire que c'est une satisfaction relative au niveau des de, du Rwanda. Euh euh, en tout cas, Jean-Claude, moi, je, moi, je, cest à qu'ils perdent contre le, Londa, ce n'est c'est pas un problème, hein, ça arrive en sport. Mais ce que mm. je, déplore, c'est que quand on voit le match, on sent que beaucoup de joueurs n'ont pas joué, euh, ne se sont pas battus. On a vu des joueurs marcher sur le terrain. Euh, je donne l'exemple de Kostner qui ne faisait pas d'efforts et, d'autres encore. Pendant qu'on voyait un Gassana se battre ou un Mugabe se battre, euh, des fois on peut perdre un match et c'est pas un problème parce qu'il faut un perdant et un gagnant. Mais je pense que il est nécessaire que, en tout cas pour le basketball euh, rwandais, que les jeunes qui jouent au basket là-bas, ils comprennent qu'ils doivent se battre quel que soit l'adversaire qu'il rencontre. D'autant plus que vous aurez l'afro-basket. Dans une poule, il y aura le, encore l'Angola dans votre poule. Il y aura, euh, ça, euh, le troisième. Il y a une équipe qui viendra du Maroc ou de l'Ouganda ou euh, euh, du Cap Vert. Et puis la RDCS. Donc c'est, une équipe, c'est c'est un groupe qui sera relevé. Et psychologiquement, c'est mieux de se battre parce que perdre n'est pas le problème, c'est peut-être la manière de perdre qui n'est pas bonne. Et je pense qu'ils auraient pu mieux faire que ça euh, sur euh, euh, leur, leur, leur, leur jeu aujourd'hui. Ça arrive de perdre, mais il faudrait se battre jusqu'à la dernière seconde, vu les efforts qui sont faits, je crois, par le Rwanda de mettre des infrastructures et mettre les moyens nécessaires pour développer le basketball chez vous. On est un peu dur, mais je pense qu'il faut être demandant de ces jeunes-là qui doivent comprendre que certaines choses sont faites pour leur permettre de jouer et eux de leur côté doivent faire un effort quand même de se battre jusqu'à la dernière seconde. Oui, oui, vous avez raison, vous avez raison. La motivation n'était pas celle qu'on attendait cet après-midi. pour, euh, pour certains éléments de, de patriotes, euh, comme vous l'avez dit, euh, quelqu'un comme Costina, quelqu'un comme Tom Bush Wamukota, donc le, les efforts qu'on attendait d'eux n'étaient pas satisfaisants jusqu'à ce point. Tout à fait. On est en ligne avec aussi Sedina Abagay. Sedina, as-tu une question pour euh, Jean-Claude euh, euh, dans ce match rapidement parce que la, mi-temps a repris, la deuxième mi-temps a repris. Oui, tu as pris ma, en charge ma question, c'était par rapport à la politique de développement du basketball. Et je pense que comme la finale reprend, on peut y revenir. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir été avec nous. Euh, je pense qu'on pourra se parler euh, une autre fois encore. À tout à l'heure, on repart dans le direct 40-42, 44-42 pour le, le Zamalek. Euh, ça va être une grande partie de plaisir dans ce match de basket. On va retrouver Ben Rondan sur la ligne de lancer franc. <laughs> Il confirme que ce n'est décidément pas son exercice favori. s'il met celui de la gagne, tant mieux. Il en met un quand même. Walter Rock, qui a été un peu bousculé dans la première mi-temps, n'y a pas le rayonnement hein, qu'il a d'habitude. Il a quand même 9 points, 3 passes. Bien contenu en tout cas. Magro, Bien joué à Anas qui s'en est bien sorti. Oh, ça c'est bien. El oui, mais ça c'est très bien il y a eu un très bon repli hein, Brook. Belle rotation aussi sur le plan défensif des Tunisiens. Un des membres de la fédération me disait à la mi-temps, c'est pas normal qu'on défende comme ça, on leur a laissé au moins 15 points faciles. Et on a un peu la même euh, interprétation. En tout cas, Monastir fait un nouveau stop. Et Awel Argi. oh là là là là, il a résisté à Hussein derrière, il a réussi à éviter le contre d'Anas Marmoud. Oh. Excellent, excellent. On a les deux meilleurs sixième, hommes du tournoi sur ce parquet. On a Solo Diabaté, Wael Arabji. Hussein à trois points, il a vraiment pas envie de le prendre ce shoot là. C'est Walter Hodge qui va le prendre. Mais ça c'est pas un bon shoot du tout. Ah, sans rythme, sans timing attention, parce que Zamalek avait été pris par le bon démarrage hein, de Monastir. Regardez. Il va mettre ce ballon totalement déçu du contre d'Anas Mahmoud. El Mabrouk, nouveau coup de sifflet. Cette fois-ci contre Walter Rock. c'est la deuxième. Ah, c'est sûr qu'en défendant comme ça, vous empêchez le joueur voilà, de ramener le ballon sur sa droite. Bah, il y a contact. Omar Kiguati, attention. il a l'air de tester un peu sa, cheville, j'ai l'impression. El Mabrouk qui envoie une énorme brique, c'est bien, récupéré. par au rebond, dans le ballon il est tombé dans les mains quand même. Attention, là, oh, il a pas osé prendre le shoot à trois points, Moab Yasser. On sait que le shoot, c'est pas ce qu'il fait de mieux. Hein. Il a une grosse, grosse marge de progression dans le secteur. Son oh, coach oh. nous en a parlé aussi. Attention, ça cafouille un peu ce ballon là. El Mekawi, les bonnes mains d'Elma Brook. Deux secondes. Walter Hodge. C'est très très compliqué pour l'instant. Ce sont deux minutes terribles offensivement pour Zamalek. Belle séquence, belle séquence défensive en tout cas de l'USM. On faut peut-être rappeler que le petit Moab Yasser hein, avec son numéro 2, enfin petit, par l'âge seulement, qui a participé au camp WB, à la NBA Academy encore et qui partira aux États-Unis jouer en NCAA dès l'année prochaine. El Mekawi est un poids mort pour son équipe. On m'avait posé la question de savoir si son front va mieux. J'ai dit c'est plutôt pour sa cheville qu'il faut s'inquiéter. Le front c'est une coupure, quelques points de suture ça suffit. Mais là il, a du mal, il n'est pas mobile. Regardez, il est, encore passé par Makram Ben, ben Et il a trois fautes en plus. Oh là Ben Ramdan, le shoot est tellement compliqué. Mais Gayaza est là. Bien sûr. Omar Abada, ça a l'air d'aller pour lui. Très bien joué, Moabia Serre. Bien l'interception. Et pas mal la passe derrière. c'est le Léop qui va tomber dedans. Le, filet a été touché. Le ballon, le ballon va, quoi qu'il arrive, être accordé. Après, la question, c'est de savoir qui touche au filet, <laughs> qui touche à l'arceau. J'ai l'impression que c'est le défenseur. J'ai l'impression que c'est. Alors. Oh oui, oui, si, si, si, si. C'est Arakji. Fanny accordé. C'est Arakji. On va avoir un chassé croisé au score, j'ai l'impression pour notre plus grand plaisir. Regardez où c'est. Regardez où c'est. <laughs> Quel défenseur. Quel défenseur. Bien campé sur ses appuis. Oula. Oula. Il là c'est ça l'harmonisation des, marchés. Hein. Et c'est le chute manqué, le ballon toujours il est pas contre Ben Romney. Wallah, wallah, wallah, c'était pour nous. Ah, ben Romnette qui se plaint. Fakwadi a fait son retour, lui qui a été vraiment très très bon en première mi-temps. 10 points pour lui. Walter Rock, Fakouade agressif. qui oh, décale. Boadjasser, il a pas osé prendre le shoot. Il va aller finir avec le layup et la faute. Un peu évitable de Gaïaza. Il a essayé de défendre quand même, pourtant il était bien bloqué par Fakouadé. Dans le match le plus important de sa carrière, il est immense déjà. 13 points pour lui, un effort défensif de tous les instants. Si vous ne le connaissez pas encore, il va falloir suivre ce garçon-là. Gayaza, il a été très naïf là sur cette défense. Il est bloqué par Fokwade, il n'y a rien à faire, il faut accepter d'encaisser les deux points. Plutôt que les deux, points, plus un lancer. El Mabrouk. Robin Rondan, eh Il y a la faute de eh Fokwade, c'est dommage. Parce qu'il me semble qu'il en a déjà deux, c'est la troisième. Il y a désormais quatre joueurs de Zamalek à trois fautes. Il était en retard et il a été emporté par son élan les trois joueurs euh, qui ont de l'impact. Hein. Fakwade, Elonou, El Mekawi et Mohamed. Ça fait pas 4 ça J'ai dit 4, oui. 4 joueurs à Araki. Là c'est pour une fois, c'est pas le choix, mais c'est arraché oh, par mains, Ben Ramdan. Les mains de Ben Ramdan. Et finalement c'est Abada, contré par Alas Marmoud. parce qu'on à à l'opposé, j'ai pas du tout vu hein, ce qui a été sifflé. Quel combat Quel combat deux escouades qui ne lâchent oh, le rien. contre d'Anas Marmoud. Waouh Le ballon est rendu finalement à Zamalek. 4 points d'avance. C'est le plus gros écart du match. Oh, c'est bien, c'est bien de voir comment les Tunisiens réagissent dans ce moment si difficile pour eux. Fakwade qui ressort, Hussein qui refuse le foot, il avait plutôt intérêt, il aurait été compliqué. On va trouver Fakwade avec un mismatch. il a fait le tour d'Arakji, mais Abada en La mobilité d'Abada. Ben Ramdan. On n'aura pas trouvé pour l'instant hein, sur le les deux premiers cartons et demi, toute la fluidité offensive, ces possessions qui vont jusqu'à jusqu'aux 3, 4 dernières secondes et toujours ce très bon shoot, ce très bon choix. Encore une perte de balles à côté de Monastir. Pour l'instant, c'est la défense égyptienne qui les fait déjouer. On n'aura pas vu le grand Zamalek pour l'instant, on n'aura pas vu le grand Monastir non plus. Oui, mais défensivement, Zamalek est un cran au-dessus pour l'instant. Ils ont aussi le ton, c'est vrai. Marché, marché, sifflé contre Walter Rock l'axe euh, coach Anas est pour l'instant bien contenu par les Tunisiens. Ben On avait parlé de cette euh, bataille tactique entre deux superbes coachs. C'est ça. Agustin ou le Et Ben Sliman de l'autre côté, côté Monassi, Rabada. Eh oui. Qui va chercher une faute. Qui va chercher surtout la troisième d'Anas Mahmoud il se plaint, il se plaint parce que c'est quand même Moab Abdelatif qui laisse passer Abada. Et lui, en filou, va provoquer le contact d'Anas Mahmoud. Chris Crawford fait son retour, tout comme Slimane, qui a pris un bon coup à l'œil en hein. tout, début de premier carton. On voit que son œil est un peu tuméfié. S'il gagne, on appellera ça une blessure de guerre. Et 2 sur 2 pour Romain Rabada. Quel combat, quel combat. Fakwade. Avec Gaïana sur le dos, il y a peut-être une différence de vitesse là. Oui. Anas Marmoud. Oh, il y avait un oubli. Il y avait, un oubli. Là, qui prend ce shoot à 3 points. Ça tombe aïe aïe aïe, à ce moment du match, ce tir est importantissime. 14 points pour Abdelatif, Moab Yasser et 13 pour Fakwade. Trop très court. une faute au rebond. Pour qui Pour Walter Hodge Non, non, non. Ah, non, non, c'est Makram Bedramdam, le fautif. Et c'est sa troisième pour lui parce que Zamalek est déjà dans la pénalité. 4,39 hein. à jouer dans ce troisième carton, 52-47, comme d'habitude à mi-chemin. Commercial break. Temps mort euh, commercial, le Zamalek mène 52 à 47 et a l'air d'avoir pris euh, le contrôle de ce match. On les voit beaucoup plus physiques euh, en défense, plus accrocheurs, plus accrocheurs et ça gêne leurs adversaires du jour, le Monastir qui perdent un peu, euh, d'une certaine manière, leur mental et s'énervent assez facilement. Ce match va être, euh, troisième carton va déterminer la suite de cette, euh, euh du quatrième carton et comment ça va se passer. Cédina, on voit une équipe de Zamalek qui prend l'ascendance sur son adversaire euh, sur un plan mental, psychologique et physique sur le terrain. ça va être déterminant dans ce carton. Si ça continue dans cette tendance, euh, l'avantage a l'air d'aller du côté de Zamalek. Oui, et ce, qui est le plus marquant, c'est que les deux du qui sont parvenus à investir la dans du match sont au repos. Donc ils seront prêts pour la fin de ce troisième carton et le quatrième carton, ce qui ne pas euh, ce qui n'annonce pas en tout cas de bonnes choses pour cette équipe euh, de l'US tout à fait. On dirait que physiquement, on voit des gens comme euh, euh qui sont un peu amoindris, euh, Hamdan qui ne joue pas avec la même euh, énergie, euh, Arakji est celui qui amène de la puissance dans cette équipe de Monastir. Mais est-ce que ce sera suffisant pour venir à bout de cette équipe de Zamalek D'ailleurs, on se rappelle, Solo Diabaté n'est pas encore rentré dans ce troisième quart-temps. Donc, <laughs> il y aura des très très bonnes choses qui vont se passer probablement pour cette équipe de Zamalek. Mais on se retrouve tout à l'heure euh, puisque le direct a repris euh, euh, ses euh Walter Hodge. Marmoud qui fait le tour de Slimane. Oh, ça très très bien défendu de la part de Gayaza. Et Crawford repart déjà de l'autre côté. Slimane, Abada. Allez, être patient côté Monastir. Être patient et travailler, marcher rien ne sera accordé aujourd'hui à Ben Ramdan. Rien, rien, ne... lui ne lui ici, Ben Ramdan, Qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins. Ils ont du mal à se revenir de leur période euh, d'énervement et ça joue sur leur production. Fakwade, l'homme fort hein, de l'attaque, de Zamalek. Oh, le shoot est très très compliqué. Superbe shoot pour Fakwadé. Et si c'était lui le facteur X du Zamalek ce soir Meilleur marqueur du match avec 15 points. On attendait Solo Diabaté, on a pour l'instant Fakwadé. Quelle profondeur d'effectif alors qu'Elounou s'apprête à revenir. C'est pas plus mal. Ziman très long. Le rebond pour Anas Mahmoud. On n'a jamais vu Monastir si embêté dans cette compétition. Ils sont dans la difficulté. Peut-être vous permettre une, petite remarque. Ils n'ont jamais joué une équipe aussi forte aussi. Parce que c'est vrai que le parcours de Monastir, leur groupe n'était pas facile, mais il était abordable. En quart de finale, en demi-finale, ce n'était pas des équipes à la hauteur de cette équipe de Zamalek. Alors que Zamalek a quand même dû jouer pétro. ça c'est le danger, hein. c'est le danger quand tout vous sourit jusqu'en finale, vous tombez sur un os, après ça devient très compliqué attention, hein, quand je dis ça, quand je dis qu'ils n'ont pas été à la hauteur, euh, je ne veux surtout pas manquer de respect à l'équipe euh, de l'AS Douane, mais qui était quand même un, ton en dessous. Je vous laisse vous dépatouiller tout seul. il n'y a pas besoin de se dépatouiller. <laughs> Euh, si, vous avez vu les matchs comme moi, vous avez compris ce que je veux raconter. Omar Abada. On n'a peut-être pas vu les mêmes choses aussi. Slimane en échec, longue distance. Il va quand même réussir à récupérer un rebond presque chanceux. Crawford, Abada. Ils sont bousculés offensivement. Ça c'est joli par contre. Le petit pas de côté pour Abada, bien joué, superbe touché. Celui-là il fait du bien, il fait un bien énorme. Ce tir d'Omar Abada. Ils ont besoin de retrouver de la fluidité dans leur exécution.